je, le pose euh, au ministre qui a eu à, être au cœur de l'État en tant que conseiller du président Ouad et ensuite en tant que ministre de la République. Bismillah. Il est possible de modifier notablement le système s'il y a des gens assez courageux pour faire face parce que le système dafa am côté système quand on dit système dafa am ñu côté <laughs> mais le pire moi, et ma c'est que ils avancent masqués suñu yow a li ngeen gëm nous hmm. hmm. suivre tous les débats j'ai écrit écrit un article mané eh, euh, y aurait-il des francs-maçons sénégalais ken xamul won lutax tax ma bind ko quelque temps après ñu dégg ni dañ fi wara def réunion fekk man yëgoon naa ko bu yàgg. Hmm. mais la ma jaaxaloon moo di fa ma ko dégg fa ma ko yëgee woon daf dafa mel ni ay nit ñooy jógee bitim réew ñëw fekk si ñu fii bëgg fi def seen ndaje ma bëggoon ñi nga xam ni ñii ñoo fi dëkk ñoom mais nañu feeñal seen bopp nit kay sooy def lu baax doo bëtu dëgg la. nit su fekkente ne wóor na la ni li ngay def lu baax. mais doo bëtu dëgg la loolu na bëtu man loolu moom boole ak ñoom man ne leen aussi lii wérte wóor moo di am na loo xam ne lii dafa yàq démocratie lii yàq démocratie mooy la supposons léegi franc-maçon diw ak franc-maçon diw ñoom ñoo bokk fu ñuy gisee guddi bëccëg bi nag bokkuñu parti ñu nekk di xuloo ci rajo yi ci télévision ñii farak yi ñii farak yi fekk ci baatin ñoo far voilà man ni nag loolu day yàq démocratie dëgg la parce que man bëgg naa xam may waxal kan la. ma ni leen loolu mu ngi mel ni nga sol burka intellectuel burka burka burka xam nga dañ koy tere parce que hmm. xamuloo kan nga amal affaire hmm. waaw burka intellectuel mooy xam naa ne sëñ Fallou nii su màggal euh, jotee xam naa fu ma koy fekk hmm. Ama Tidiane mii xam naa fu ma koy fekk diw Njaay mii bokk ci beneen kuréel moom fan laa koy fekk soo gisee mo tudd len c'est système bi ñoko yoré hmm bul ta tot tot to tonton loolu moom dina la ci laaj benn question ci kanam tuuti. maintenant maintenant système bi. est-ce que est-ce que xalaat nga ni que. Euh, euh, euh, kan moo ko ban profil moo ko mën a changer. yaa bi Idrissa Seck di wax y a beaucoup de ces critiques. et yuy di wax ni que c'est un homme du système. Donc, il ne va pas changer le système. Ils ont donné l'exemple de Macky Sall. Mais bon, voilà, pendant des années, il pas mais il faut euh, changer. tu sais moi on s'est côtoyé au gouvernement j'ai beaucoup de considération pour lui je ne suis pas son militant. Mhm. mais j'estime j'estime mhm. avec son itinéraire. Mhm. ak au moins il n'est pas un homme du système sinon le système ne l'aurait pas écrasé comme ça. ah. Ah, attention noir. ok seul, tout seul. non il n'est pas un homme du système s'il était un homme du système qui marche avec le système il n'aurait pas eu toutes les galères qu'il a depuis 2000. Mhm. Parce que lui, il a contribué à élire le président Wade et depuis 2002, il est hors du système. Mhm. Au contraire, on a favorisé, on a favorisé ce que celui que j'appelle le candidat du système. Et c'est le président mhm. actuel. C'est lui le candidat du système. Et même et, et, aux gens qui disent, et, aux gens qui disent la même chose à Sonko, du que comme il a été dans les régies financières, c'est un homme du système. Du coup, moi, il changeait euh, euh, fiscalité sénégalaise. Mais de quel système on parle En fait, parce que les Sénégalais, ils nous bonnent des Allez-y, allez-y. Parti comme ça, pour les nerfs, on le cœur du système. Mais quel est le système Est-ce qu'ils l'ont caractérisé parce que le système est caractérisé. moi je ah. dis qu'il y a un système laïca soutenu par des valeurs maçonniques qui tient la République du Sénégal contre l'avis de la majorité des Sénégalais voilà c'est clair c'est simple c'est clair c'est simple et malheureusement malheureusement les autorités coutumière, religieuse et sociale qui devrait avoir la lucidité de décoder le système ñooñu dañ leen isolé su màggal jotee ñëpp daal seen i oto dem dire. adiya su gàmmu jotee ñëpp daal seen i oto dem jox leen adiya toog leen fii rek yéen kay bu leen toppatoo dara hmm. bu leen top dara on on s'occupe de tout